Euh, mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu ñu ngi am mbégte euh, teewaat ak yéen fii euh, ci sat municipal bu Thiénaba di dund ak yéen nag li nga xam ni moom match buy dox ci diggante ASC déggoo bu Thiénaba ak ASC entente match boobu nag demi-finale la boo xam ni mooy demi-finale coupe maire euh umplé wu leni nak uh, match bobu match de derby le lah, match bo xamni ni uh, machallah ñi ko doon xaar yépp bari na uh, mu nekk tamit match buñu mana qualifier comme match de revanche bo xamni ndax bi moy ñaarelu match ci saison bi suñu joomul bu dox ci digënté AC Dego bu bu Tianaba ak AC Entente bu Tianaba donc match bu ñëk ba AC Entente mom moko gagné won par 1 but à 0 Euh, donc euh, bi nga xamni mom moy ñaare euh, par 3 bi à 0 du moins ñu balma ben occasion bu doon am bobu rek mo xawa a yóbbu sama xel ma nekkon ci action bi. donc on va suivre action bi nga xamni mom Khalifa Tall mom numéro 10 bi moko ko dóor bi voilà mais finalement. Euh, gardien bi euh, muy euh, Baye Jibi Gueye génn na jàpp ballon bi mu nekkoon bal boo xam ne bal bu dangereux la kon match la boo xam ne nañu xam ne match bu ah, bu ñuy discuter àprement la ci diggante équipe bi nga xam ne moom mooy équipe bu en Entente bu Thiénaba ak ASC Déggo bu Thiénaba donc pour le moment Euh, zéro bi partout entre les deux équipes euh, Marché bi mu ngi daw euh, ñu joué pendant peut-être 4 minutes de jeu déjà Nous ñu commencé won football bal bi mu dans les pieds de l'ASC Entente mu Golou, ci Khalifa Mbaye Khalifa Mbaye mu Ben benen erreur bo xamni centre bi Khalifa Mbaye ah, jogna na jël ballon bi voilà Khalifa finalement a pris le ballon sur un centre long centre de de de de de Kan euh, voilà donc Jaaji Kan def centre bobu Khalifa Kan euh, Khalifa Mbaye euh, goludegobi déggoo bi dégagé Khalifa Mbaye ballon qui atterrit dans les pieds de Jaaji ballon qui va revenir dans les pieds de Ousseynou Seck qui revient pour chercher son partenaire finalement Souleymane Seck qui donne à qui Jaaji Jaaji qui introduit à Orjo Orjo dit à monsieur l'arbitre donc couvrant rapidement joué mais le ballon qui revient dans les pieds de joueur de l'ASC Dego, euh, faute de main, faute de main dit Monsieur l'arbitre, faute de Baïta Le euh, faute de Baïta donc euh, non le démégul pour le moment, faute de Baïta Donc faute au bénéfice de l'ASC Dego de Tchanaba, que va tirer son numéro 11, qui va s'est lancé pour mettre le ballon dans la boîte. Finalement, il met le ballon dans la boîte, mais il y a le gardien Djibigay. Le ballon est trop long euh, pour lui, mais finalement, finalement, Khalifa Tal euh, qui a failli vraiment euh, être dangereux devant les buts, mais finalement, le ballon a été repoussé par Baba Babacar Ndiaye. Babacar Ndiaye, mais Rude Bataille dans l'autre touche, le numéro 11 qui se bat. Voilà, donc il y a touche. Touche effectuée par Ousseinou Sek. Ousseinou Sek, euh, ballon qui atterrit dans la défense. Finalement, mauvaise relance. Mais le ballon qui va revenir, Ousseinou Sek qui met dans la boîte euh, pour chercher Papsila. Mais il y a le numéro 2, faute de main. Faute de main. Faute de main à l'entrée des 18 mètres. C'était dangereux. 18 mètres. Voilà, donc euh, comme vous le voyez, la sécurité est là. Donc, la disposition par rapport à la sécurité ici euh, au terrain municipal de Tianaba. Et ça fait partie. Donc euh, euh, le, public aussi est venu très nombreux. Il y a Papsila qui s'affaire autour du ballon. Il y a Ibrahim Ndiaye aussi, le capitaine numéro 5. Voilà, donc, qui allait le donner en consigne. Papsila, le ballon dans le mur. Mais finalement, Ibrahim Ndiaye qui revient au-dessus de la barre au-dessus de la barre transversale. C'était dangereux le coup franc, mais c'est mal tiré par Pape Morsila. C'était mal tiré par Pape Morsila. Donc 6 mètres que va effectuer le numéro 2. L'axe central de l'ASC Dego de Tchanaba. qui dégage le ballon mais ballon qui atterrit dans les pieds de Cheikh Tidiane Gueye, non nous Sek, qui ce qui Suleiman Sek. Mais finalement, il y a l'axe central qui est sorti pour faire sortir le ballon. Voilà, donc euh, comme vous le voyez, zéro partout entre les deux équipes. Il y a notre confrère aussi euh, qui vient d'arriver, Gorumbou. Gorumbou, qui vient juste d'arriver. Voilà, donc... Euh, il y a le numéro 2 qui va essayer de dégager le coup franc. Mauvais dégagement, attention, le ballon qui atterrit, euh, qui cherche euh, Pamdiaï. Mais finalement, il y a la défense qui sort le ballon. Le capitaine Ramos Ramos, euh, le capitaine, est l'axe central de l'ASC Dego. Ibrahim Diagne qui effectue la touche, qui donne à Pape Ndiaye. Euh, Ramos qui sort le ballon. Il y a Khalifa, le numéro 10, qui va essayer de changer le jeu. Mauvais passe. Le ballon qui atterrit dans les pieds d'Ibrahim Ndiaye, capitaine. Mais il y a Khalifa Tal. Voilà, faute sur Khalifa Tal. Fortir Khalifa Tal Gore. yaakaar naa match bi commencé na depuis euh, euh, depuis quelques minutes de jeu déjà depuis huit minutes. Euh, non, ñu ko gissé suñu écran aussi vous avez vu les Gora Il y' a Baydam. Il y' a aussi Cheikh Tidiane Seck ça c'est le banc technique de l'ASC Entente donc ay nit di ci liggéey liggéey bu am solo donc Koufranbi, euh, euh, Dorninko, pour chercher Khalifa mal tiré mais le ballon qui atterrit dans les pieds de Khalifa Tall Khalifa qui va essayer de centrer euh, qui centre le ballon ballon dégagé par Souleymane Seck le ballon qui revient dans les pieds attention c'est dans ah, faute faute de main faute de main de Diop donc Gora yaakaar naa match pour le moment zéro bi partout entre ñaari équipe Kibi. nan nga pour le moment match bi nga xamni mom mo dox ci entente waaw ñoom ni ma ko jàngatee mooy ñoom ñëpp ñi ngi cherché di wut seen construction di wut fu nu jaar léeg-léeg entente jaar ci côté yi waaw attention attention bu occasion oh la la gardien baa ngi doon fo di fo ba nar a def fay njàmme li ma lay wax mi ngi noonu entente ci fay ci côté yi lay jéem a cherché pour le pour l' instant moom zéro pour partout ñi ngi def round d' observation ndax yaakaar naa bi ñu commencé yàgg ku franc ku franc ku franc au milieu de terrain entente ñoom ñoo sol ñu lu weex yi Dego sol lu bula lii ba njàmmee tey du yomb ci ci waa entente ndax déggoo day bañ tey waaw match la boo xam ni du yomb ci kenn sax laa mën a wax ndax euh, du tax ma wax ni du yomb ci kenn mooy benn derbi la ñaareel bi bii mooy seen euh, deuxième match ci saison bi su ma juumul premier match bi euh, laay si entente moom moo ko par trois bi à zéro xañ yow fi nga waxee ni du yomb mooy comme entente moo gañe woon déggoo dina ñëw bëgg fayu Euh, peut-être motax nga nga yakarni du yomb mom nga motax nga waxé ni du yomb ci ASC Dego mais man damay wax ni match la bo xam du yomb ci ben équipe. parce que aussi euh match bu ñëk ba match championnat la won waye bi match coupe la match coupe moy éliminatoire direct euh, buñ la dóoree da ngay tok kon contexte yi déjà euh, bokkuñu bien vrai que ce sont les mêmes équipes qui se rencontrent dans le terrain donc vous Balan Chandel tête de qui Ibrahim Ndiaye capitaine qui amorti dans les pieds de Pape Mamadou Ndiaye y a la le latéral gauche. Euh, qui vient de dégager le ballon, faire sortir le ballon. Touche Correa euh, qui sert ce qui Suleiman Sek. Il euh, y a attention, voilà, il y a Koufran Koufran. Pied levé. Pied levé pour pied levé de Suleiman Sek. Donc Koufran en faveur de l'ASC. l'ASC Dego. dispositif dafa coach de tourner. il y a absence yu mel gisuma Ahmed Gueye Ozil gisuma tamit euh, l'autre la seen wala mi ngi ci ak mi ngi ci latéral bi Ibrahima Correa dafa dem latéral. dafa dem Ibrahima Correa moom moo football comme latéral xam nga keroog euh, Ibrahima Correa bi mu footballee comme axe mooy euh, match bi nga xam ne dañoo génne woon Cheikh Gueye. ci la Ibrahima Correa demoon ci axe bi donc Ibrahima Correa polyvalent la. ci ni ñu mën a xamee ci wàll football. donc moo taxoon mu fa attention bonne balle bonne balle mais yàlla gardien qui va finalement bon sortie de Djibi Gueye. occasion pour la e go. waaye mais Djibi Gueye aussi def na action bu am solo ndax euh, suivre na action bi. Euh, voilà wa ah, dina yëngatu dina yëngatu dina yëngatu. pour cas pour cas bi nga wax léegi aussi absence de de de de Mohamed Gueye. vraiment absence la bu bo xamné aussi absence bu bu am solo la bu ñepp remarquer

ku ci am mérite ñu mën la délo ci waat parce ñepp ben wa mais aussi uh, joueur yi ci bopam aussi am nañ ben comportement bu ñu wara am gis nga footballeur buy football uh, warul mëna bañ ñu ñu génné ko terrain bi war remplacer ko ak ben joueur ndax eh, tout personne n'est indispensable uh, personne n'est indispensable waye uh, eh, li nga xamni uh, li nga wax aussi lu am solo la effectivement mais uh, ñun aussi xamuñu ba xam lolu amna ci souf wala dit donc xamuñu ko xamuñu ko bu amé mom nga wax ni mom mo wara am kon alhamdullilah Ah, bu amul tamit ñun xamuñu lu tax amul xañ na balaa match bi jeex ah, dinañ ci jéem mu ay ay ay réponse mais pour le moment daal zéro bi partout entre les deux équipes waaye on note aussi euh, l'absence notoire de Mohamed Gueye l'excentré numéro 11 de l'ASC Entente attention tête de Babacar Ndiaye Babacar qui se donne à Ibrahim Ndiaye ballon qui amorti dans les oh voilà donc qui atterrit dans les pieds de euh, Mam Djembo Mam Djembo voilà Mam Djembo Sek Mam Djambou hein. le numéro, le numéro 17 est milieu terrain. Oh. Voilà, donc, Baye Talegay. Oh, voilà, Koufran. Koufran. sur euh, Baye qui porte le dossard numéro 6 aujourd'hui. Euh, Baye Tala. qui porte le dossard numéro 6. Koufran pour Ibrahim Correa. Ibrahim Correa qui sens de l'autre côté. Attention. Tête de latéral euh, droit. Attention. Mam Djambou. Oh, deux pieds, c'est mauvais. Récupération par Sergei qui change de l'autre côté. Attention pour sortir. Oh, hors jeu. L'arbitre dit hors jeu. Hors jeu. Balégi ñi ngi naxanté Baye Ndiame Balégi ñi ngi naxanté. Balégi léegi ñoom ñëpp ñu ngi ci milieu terrain bi attention Ramos jël na balle bi Ramos jël na balle bi Ramos jël na balle bi Omar Mbuub moy dóor balle bi yeex na yeex na soo xoolee entente ba léegi ni ñoom dañuy déglu di xaar déggoo rek mooy dal ci kawam mais ñi ngi déglu ci amee nañ ci waa un nañ ci méfiewu nag parce que ata entente mi ngi yor attaque contre attaque yu doy waar. attention ballon récupéré par ah dégagement du numéro 5 récupéré par le numéro 11 de l'autre côté attention joli dribble oh ballon ballon perdu récupéré par Baitala oh deux pieds coup franc. voilà coup franc en faveur de l'ASC Déggo. Oh, donc coup euh, franc en faveur de l'ASC Deggo yaa nga wax sàng ni entente dafay déglu mais euh, man du ma ko tuddee sax déglu euh, li ma koy tuddee mooy benn équipe bu am expérience la ci yenn match yi ndax vraiment ren rek bu ñu ko dajalee sous forme de derby yi nga xam ne moom la football. Mm. au niveau de le stade municipal war naa mat quatre derby keroog sax maa ngi wax ci annonce bi naan derby yi doy na. Mm. ndax vraiment derby moom match bu metti la. Voilà, ballon centré dans l'axe. Oh, le oh, gardien qui hésite un peu, mais finalement, il revient dans les camps, récupère par son numéro 6, qui va essayer de donner à Omar Mboupa, Omar Mboupa, qui est un élastique pour Cheikh Gueye. Cheikh Gueye, finalement, euh, qui va essayer de relancer le ballon, qui donne à qui À Djadji Kana, à Nona, Ousseinou Sek, Ousseinou pour Ibrahim Pour Ibrahim Ndiaye, le ballon qui va revenir, mais il y a le gardien euh, Djibigay qui, récupère, le ballon, qui va essayer de relancer. Voilà, qui met dans la boîte, qui cherche bail. Attention. Oh, ballon perdu. Non, de Dieu. Mais finalement, récupéré. récupéré par le numéro 6, qui va donner à son 18 latéral gauche. Ah, voilà. Franc pour le numéro 14. Toujours 0 but partout. Ballon pour Omar Mboub. Omar Mboub, techno coup franc bi. Mbaye un doon na xeeñ Donne tuuti. Mhm dañuy naxante ndax danoo xamante derby depuis depuis 2009 ba léegi ñi ngi am ay derby ci ñoom ñaar. voilà donc yàgg nañoo euh, yàgg nañoo daje euh, mais nag. Euh, eh, oh, oh mauvais geste. pied levé. c'est un geste aussi euh, je ne dis pas anti-sportif mais sportif parce que ça fait partie du jeu c'était pas méchant donc voilà du woon loo xam ni daf ko daf ko yéene mais ci biir jeu bi la amee donc faute la bu am ci biir jeu bi Euh, ci loolu nag euh, ngeen gis mu nekk loo xam ne lu am solo la donc pour le moment daal euh, li ñu wax mooy ñaari équipe bi ñu ngi jàpp ñoom ñëpp di jéem ku nekk rek di jéem ut dara ci diggante ñaari équipe bi coufran la bii nag coufran bi mu ngi situé dans la surface dans la zone de l'ASC entente donc le numéro 6 qui va essayer de Omar Mboup mauvais ballon mauvais ballon ballon 6 mètres récupéré par Djibi 6 mètres 6 mètres waa déggoo ñi Ramos il est dans le match Mingi ngi essayer de replacer ses jours pour ne pas être surprendre euh, à nouveau parce que à la ils étaient battus par l'ASC Entente par 3 buts à 1 attention ballon pour Ibrahim Correa dégagement du numéro 5 Ibrahim Ndiaye tête de Mam euh, attention oh télescopage télescopage des deux jours. l'arbitre a je ne l'ai jamais vu non arbitre arbitre li mu soufflé moy intention bi le, la soufflé. mais il y avait pas euh, amul woon jour entente jour entente bu doon bokk mais dafa yër rocceeku. Ah? ñaari joueurs dafa yeur, dafa yeur. dafa yër ah, rek delu mais rocceeku ñaari joueurs yi nek en contact directement donc ci intention jeu boobu la doon. arbitre bi zone na Omar Mboup parce que mom mo def coup franc bi en faveur. Omar Mboup waaw Mom moom moo bu dégo. bu dégo mom lan zone. waaw c'est que lima ma li ma jox ko IC dégo. ba pare jël joueur IC dégo bi jox ko carton jaune.

Ramosa euh, ballon qui atterrit dans les pieds du numéro 11, euh, qui perd le ballon. Attention, euh, Bay Tal Gay, qui donne à Ousseinou Sek. Ousseinou mauvais centre de Sek. Récupéré par le numéro 5 de l'ASC Dego. Ballon qui revient dans les pieds de Cheikh Tidiane qui relance le ballon. Mauvais relance, ballon chandelle. pour, attention. ah, coup franc, coup franc, coup ah, essaye de passer dans dans les côtés. dans les côtés. attention coup franc pour euh, l'ASC Dego Matar maa ngi lay wax ni entente ay contrôler procédé pour dire que c'est un baaxul ci l'AS ASC bu ballon tiré par Omar Moup Omar donc mauvais mauvais euh, tir de Omar Mboup le ballon dans les dans la poitrine attention qui perd le ballon Mam Jëmbu Mam Jëmbu voilà donc touche en faveur de l'ASC Entente touche effectuée par Ousseynou Seck qui qui attention mais le ballon dans les pieds de Mamdjamou toujours Mamdjamou qui cherche son partenaire euh, pont attention centre tête du numéro 2 Sertigan Gay ballon ne oh attention corner Cheikh qui sauve le danger sauve le danger finalement l'arbitre de touche nous dit qu'il y a corner donc corner en faveur de l'ASC Dego corner euh, qui va euh, qui se trouve de la qui va venir de la droite vers la gauche donc euh, pour l'ASC Dego de de de, de Tianaba. Zéro but partout entre les deux équipes et 20 minutes de jeu déjà. Zéro but partout, toujours zéro but partout. Corner pour l'AS Dego tiré par. Attention. Attention. Ah, coup franc sur le gardien. Coup franc sur le gardien. gardien qui est présent. Il, a de l'expérience. il a de l'expérience aussi. Euh, c'est un bon gardien à mon avis. Euh, parce qu'il suit, il suit le match, il, suit, euh, il, se concentre. Et puis, et puis c'est son ancien club. Voilà, donc euh, finalement, c'est son ancien club. Merci Gora. Il joue avec son ancien club. Voilà. Donc il joue avec son ancien club. Euh, je vous signale que Djibigay, euh, il jouait l'année dernière à l'ICDGO. Dego. Donc il joue contre son ancien équipe. Ramos. Il n'a pas parlé avec le gardien. C'est le gardien qui n'a pas suivi. Oui, oui, oui. C'est le gardien qui n'a pas suivi. Ah, donc il y a, un manque de, manque de coordination entre Ramos, manque de coordination entre Ramos et son gardien Khalifa Mbaye. Voilà, donc euh, attention, le ballon dans les pieds de latéral, droit, Baïta gay qui va essayer de donner mauvais ballon. De Baïta Gay. Baïta qui perd pas le ballon. C'est un gosse qui est courageux, qui ne perd pas le ballon, il y a faute. Faute de main. Il il y' a pas de jeu pour le moment. góor a góor a match bi man amna ni ci bal arrêté les, pour pour le moment. Euh, ci bal arrêté. waaw euh, ci lay ci lay pour le moment. waaw ci man na ci côté yu euh, dina wax aussi ni. nañu moytu bal arrêté bal arrêté bal arrêté yi moytu bal arrêté que entente dafa fekk ci dégo ci non match coupe match coupe mais manam ce que j'ai constaté moi en tant que d'habitude construction yim mu day bëgg yi daan def instant bi dafa fekk ci dégo ci football parce que le football bi ñu ko xamee rue rude bataille ballon à la chandelle. chercher où nous construire dañuy chercher balle arrêtée pour jéem a voilà ce coup pour. Euh, waaw coup franc bu dangereux la. coup franc dangereux. Cheikh Gueye mom moo dor euh, Cheikh Gueye mom moo dor Cheikh Gueye qui tire le coup euh, qui va essayer de tirer le coup ballon tiré par Cheikh Gueye. oh. oh. ballon. Oh, l'arbitre qui siffle Orjo Oh là là là là là, c'était bien. C'était bien. L'arbitre a sifflé Orjo, Position d'Orjo Mais mal capté par le gardien. Euh, l'autre là, euh, euh, ah, Khalifa Mbaye. tout le monde sait que Khalifa Mbaye, c'est un gardien mais qui fait beaucoup d'erreurs. Il fait beaucoup d'erreurs. Il fait beaucoup d'erreurs. Il a, il a beaucoup de déchets. Malgré son, séjour à Dakar dans les centres, il a fait des erreurs ici dans le stade municipal de Tianaba. Bah, en tout cas, il, commet beaucoup d'erreurs, moi Khalifa Mbaye. Euh, benn defaat na beneen erreur waxoon naa ko léegi depuis le début ni euh, def na ñaari erreur euh, ñettee du waaw bu ñettee du baax. tête di numéro 13. donc arbitre nee na hors-jeu la. waaw ci ci biir li nga xam ne moo ab ah, Cheikh Tidiane ci coup franc bi nga xam ni moom moo amoon bien tiré. Ah, ñu continuer ci match bi pour le moment euh, ballon. Euh, ballon qui cherche le numéro 11 de l'ASC Dego de Xay Dego de Canaba du moins Déggo de Canaba match Xay ba jeex na bu yàgg. voilà def nañ fa lu waaye man maa ngi avantage quand même. voilà donc coup franc la le pour le moment. coup franc la waaw li nga waxoon laa ci dellu si rek parce que y a trop de balles arrêtées y a pas de jeu ou wuñu. sànni bal sànni bal teg dóor sànni bal teg dóor mais dama yaakaar nag bu bu bu faay am ci bal arrêté lay amee ballon coup franc pour euh, Omar Mbuub Omar teg na coup franc bi. tiré par Omar Mbuub Omar Mbuub attention tête de Ramos l'arbitre ne dit rien oh. Khalifa Tal. oh, mauvais, ballon. Mauvais ballon. Mauvais ballon. Attention, tous pour le numéro 14. Oh. Toujours zéro but partout. Les Malawakon Rek, Ningti cherche solution. Ballon pour le numéro 14. Oh, c'est euh, le, frère de Baïserine Ça me rappelle son frère. Son frère Baïserine. Coup dit l'arbitre. Le numéro 5, Ibrahim Adjaï, va s'en charger. Khalifa Ntal ci barrage bi. ah gardien bi bu defaatee erreur yu mel noonu boo yàgg sàkkantul pour Ibrahim Diaye, Ibrahim Diaye qui tire. Ballon tiré, attention. Oh, gêné, gêné par son frère c'est Baitala qui gêne Cheikh Tidiane Gueye. Attention, ballon pour Baitala. Baitala, Baitala, Baytala qui centre, Baitala qui centre. Mauvais centre, récupéré par le numéro 2. Ballon pour Djadjikan. Djadjikan qui change de l'autre côté. Attention, ballon, l'arbitre ne dit rien. L'arbitre ne dit rien. Oh là là Non, belle. Oh là là, bonne occasion pour Baiserin. Silo. Oh, l'autre n'a pas mort Silla. ndax mais gis nga loolu. waaw occasion bu net la la nga xam ne moom la Pape Mor Sylla am léegi. Euh, défense su euh, déggoo bi dañoo yaakaaroon ni dafa hors-jeu waaye hors-jeu wul hors-jeu wul euh, ndax arbitre soufflé wul te hors amul donc ci loolu la Pape Mor Sylla jàkkaarloo ak camp yi waaye retour défense bi nañ ko remarqué aussi muy latéral gauche bi retour bu am solo moom la def a ñëw aussi fexe ba enrayer danger bi waaye fexe aussi ba defaale wul faute ndax am na nu mu doon demee retour am mënoon naa def sax faute kon lool tam ñu saluer vraiment retour défense latéral gauche déggoo bi on va suivre le corner Euh, le ballon qui sort, qui passe au-dessus de la barre. Donc zéro but partout. Pour le moment, euh, l'ASC entente moom à am occasion euh, moom à am occasion ben Dougal euh, dugal na sang mu nekk hors-jeu aussi mooy occasion bu bu net la Pape Mor Sylla retour latéral gauche bi numéro 18 bi boo ma moment jox turam le numéro 18 je ne sais pas ah, voilà donc mu ngi noonu yaakaar naa ni Sall la booy Sall booy voilà donc moom monyo moo ñëw enrayé, vraiment danger euh, sans faire de faute. Donc pour le moment, zéro but partout, mauvais dégagement. Mauvais dégagement euh, en 6 mètres euh, de, de, de, du, numéro 2. mais finalement, le ballon est atterri dans les pieds de Ramos. Ramos a dégagé le ballon. 26 minutes de jeu déjà en, premier mi-temps entre l'ASC Entente et l'ASC Dego de Tiana. match bu bu bu bu fermé aussi c'est un match de coupe euh, qui se joue. Euh, c'est la demi-finale euh, du euh, Coupe Mère de, de Tchanaba, M. Donc, pour le moment, hier, on a vu c'est Diapo de Toubagé qui a écrasé Réveil de Tchawaré par 5 buts à 1. Donc, Diapo déjà s'est qualifié en finale. Diapo est dans les tous et il suit actuellement euh, son prochain adversaire. Donc j'espère que ça va se passer entre l'AS Dego et l'ASC Entente de Tianaba. Donc euh, pour l'autre demi-finale qui se joue actuellement, que vous voyez dans votre petit écran, euh, sur tianabatv.com. Merci à toute l'équipe de tianabatv.com qui euh, d'aller suivre Navetani depuis du début à la fin. Ballon qui va qui va être sorti pour Omar. Attention, ça c'est dangereux. Ça c'est dangereux. Il faut pas, il faut éviter ces dangers là. Il faut éviter ces dangers. Voilà, donc Baye euh, qui va essayer de dribbler. Baïtala, finalement, il y a la défense qui fait un bon retour pour enrayer le danger. Le ballon ne sort pas. Non, c'est Pape euh, Ndiaye euh, qui va essayer de faire un crochet. Pape qui fait un crochet, mais qui fait un mauvais centre. Pape Ndiaye qui fait un crochet, mais il y a le ballon qui a atterri dans les pieds de Ramos. Ramos qui dégage le ballon, qui enraye complètement le danger. Zéro partout entre les deux équipes. Euh, ici à l'estate municipal de Tianaba. Touche, attention, mauvaise mais au bon centre. Oh, le ballon qui traverse, mais il y a Djadjikan qui revient en arrière. Le ballon est sorti en touche, A ah, sorti, euh, sorti de but, euh, dit Mouchel l'arbitre de tous. donc, c'était un très bon centre qui est venu de la gauche vers la droite euh, pour l'ASC entente de Tianaba pour le moment Gore a euh, match bi mo ngi dox euh, xaw balancer touti nak xaw basculer touti ci côté l'ASC entente entente pour le moment mom mom moy yoregul jeu bi mom moy on construit mom moy am occasion yi nga xamné aussi mom mo fi xewagul pour le moment waye Euh, ñu wax rek euh, zéro bi partout entre ñaari équipe yi euh, yi nga xam ni tey la ñuy football demi-finale bi fii ci stade municipal bu Thiénaba stade municipal bu Thiénaba nag ren suivre nañ fi nawetaan yu yu xumb suivre nañ fi nawetaan yu neex waaye di delluwaat di jaajëfal ki nga xam ni moom mooy Thiénaba TV point comme ci collaboration bi mu am ak la zone 10 ci taxawaay bi nga xam ne macha allah taxaw nañ ci waaye ma rappeler leen ni tey notre caméraman en chef Ah, muy Talla Sarr moom moo ñëw yore caméra bi ah, donc di remercier aussi ah, ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekkoon démb ak barki démb je veux nommer Khalifa Ndiaye depuis nawetaan yi ba léegi waaye tey Talla Sarr notre man Euh, professionnel, notre caméraman, euh, euh, chef caméraman qui est là aujourd'hui, mon moo caméra bi di di di di jël match bi nga xam ne moom dox entente ak Dego bu tianaba merci à toute l'équipe de la de la de TV ah. zéro but partout entre et équipe les li zéro but partout comme je vous l'avais dit toujours zéro but partout 6 mètres pour l'aise et Dego. Niame dama la ni la entente de déglu. day déglu déglu na déggoo ñëwul mu dal ci kawam dal ci kawam ñaari yoon il a fait deux occasions yoo xam ne waroon na mën a nekk but pour l'instant ñoom ñoo tey match bi boo xoolee ci ni nu taxawee taxawaay bi rek nga xam ni mois ci joru déggoo yëpp ñu ngi ci seen zone kon dina métti lool ci déggoo mu mën a yéegaat parce que bu nu xoolee bu ñu ba ci tuuti rek effet physique dina mën a feeñ ci ñaari côté yi. ballon pour euh, Omar Mboup qui s'en charge des balles arrêtées.

Ballon pour le. Attention, dégagement à la sandelle. À la, dans la moitié de la zone de l'ACD Ballon pour euh, le numéro 11 qui sent de l'autre côté. Attention Khalifa Tal Sous Amérique de Koudour. attention Khalifa Tal Khalifa Tal qui tire oh dans les bras de Jimmy Gay attention bon départ. c'est c'était une très bon action de Khalifa Tal bien construit aussi. Ah, souvent Khalifa Tall euh, xam nañ ko ci euh, bal yooyu da koy am waaye da koy yàq waaye tey euh, finalement jëm naa téye ballon bi pour chercher le tir mais goal bi Djibi Gueye la prestation de Djibi Gueye Djibi Gueye pour le moment macha allah il fait un grand match pour le moment parce que danger yëpp mu ngi koy écarté c'est est un rude bataille dans le milieu terrain. match bu le numéro 6 qui va essayer de Omar Mboup mais ballon dans les pieds de Cheikh Tidiane Gueye Cheikh qui essaie de de faire monter le ballon mais y' a faute non. il a trop poussé son ballon attention. Attention, le Attention au contrat Khalifa Tal qui va essayer de lober, mais finalement, euh, il ne euh, réussit pas ce qu'il voulait faire. Il y a Djibigay euh, qui donne à Ibrahim Coréen. Ibrahim qui va essayer de chercher son partenaire. Baitala qui amortit. Baitala, le numéro 6, qui va essayer de faire pour Djadjikan. Oh, mon Koufran. Ah, il y a Koufran. Et je crois qu'il va prendre un avertissement. Koufran pour le latéral gauche numéro 18. Balbangidem toujours, il cherche à Il donne le premier mi-temps, d'un côté à l'autre voilà mais euh, mais mais Gora vraiment gis naa présence su latéral gauche bi. Euh, numéro 18 euh, bi nga xam ne moom mooy ci déggoo. il fait un bon match voilà il fait un un très bon match. Euh, il fait un match très correct voilà il fait un match très très très correct. voilà mais waaw waaw aussi vraiment il a fait une sortie une bonne sortie donc attention mais coup franc bi ñu suivre ko ndax Ibrahima Correa dina ballon bi ci point de pénalty. vraiment Correa qui tire ce coup vraiment Ibrahima Correa il y a de bon il a fait il a fait mais finalement la défense qui écarte le danger le ballon qui va revenir au-dessus de la barre. Au-dessus de la barre, c'est au-dessus de la barre euh, transversale. Dans notre petit écran, euh, il y a les supporters qui sont là, venus nombreux d'un côté à l'autre. Euh, les, ces supporters que vous voyez que vous voyez en direct supporters on les connaît déjà voilà comme ah, mais finalement il met dans le rond central Babacar Ndiaye qui fait euh, une tête. Oh Voilà, Papsila. C'était bien vu, Papsila. C'était bien vu. C'était bien vu. C'était bien vu. C'est un bon attaquant. C'était bien vu. Voilà, surtout, surtout, surtout cette année. cette année, Papsila Morsila a fait euh, de bons navettes, machallah. Donc, du coup, nous continuons à lancer. Attention, ballon. Ballon pour euh, le numéro Alpha, 9. Alpha qui perd le ballon. Le ballon mal donné. Euh, Suleiman Sek qui revient pour Baïta Gueye. Ballon pour Pamdiaye. Changer de Djadikan. Djadikan, hors jeu de l'arbitre. L'arbitre nous dit que c'est un hors jeu. C'est un tiré par l'arbitre de touche. L'arbitre. Il y a 30. L'ASC Entente et l'ASC Dego de Tianaba. Toujours 0 ah, Pour euh, la demi-finale, la deuxième demi-finale de la Coupe Mère euh, Taladiagne, que nous saluons de passage. Euh, sur tout ce qu'il apporte porte du côté de Navetan, M. Taladiagne, le maire de Tianaba. Hmm. Nous le saluons et nous saluons aussi toute l'équipe de la municipalité. Euh, là, comme me dit Gora Elage Taladiagne. Euh, mais nous saluons également euh, toute l'équipe euh, de la municipalité de Tianaba. Nous saluons aussi les, tous les sportifs. Attention, on va suivre l'action. Le gardien, voilà, il sort, il prend le ballon. Khalifa Mbaye. Ah, donc, je vous rappelle que c'est la deuxième demi-finale de la Coupe Mère que nous jouons actuellement. Hier, euh, Diapo de Toubagué a bâti euh, ou bien a écrasé même l'ASC Réveil par 5 buts à 1. Donc c'était vraiment un festival de buts hier. Attention à la mésentente. Voilà, donc finalement. Oh, là, là, oh, oh, oh, joli euh, Non, non, non, non, non, Attention, ah, réplique, ah, réplique, l'arbitre n'a dit rien. L'arbitre n'a dit rien. Ah. Oh, but Non, d'ailleurs, l'entente qui fait d'ouvrir le score. Robis à zéro but de Pamorzila. Ah, l'a obtenu tout à l'heure et il l'a raté. Mais il vient de l'obtenir encore. Mais finalement, il a marqué. Morcila qui marque le premier but de en Entente à la 36e minute de jeu. Voilà, Pape Morsila qui marque à la 36e minute de jeu. Donc, ah, vraiment, c'était excellent. Mais euh, comme l'a dit Gora, le ballon euh, qui est euh, là sur la relance, toute l'action s'est déroulée par la relance de Babacar Ndiaye sur l'axe central. Babacar Ndiaye, un défenseur moderne. Babacar, un défenseur qui fait plaisir à tout le monde, à tous les sportifs. C'est l'assureur, c'est le taulier, comme je l'appelle. Machallah, Babacar a fait un très bon relance, mais finalement le relance a abouti sur une longue passe du militaire, du côté gauche de l'AIC Dego. Et finalement, il euh, y a euh, un contre un de, de Pape Morsila et il l'a gagné aujourd'hui en face euh, de du gardien de but Khalifa Mbaye, comme je le disais tantôt. C'est un gardien de but, mais il fait beaucoup d'erreurs. Il commet beaucoup, beaucoup d'erreurs, Khalifa. donc, il a voulu faire une claquette, mais finalement, il l'a pas obtenu et il a perdu le ballon. Le ballon s'est trouvé dans les filets. 1 bien 0 en faveur de l'AS Entente à la 36e minute. En faveur de l'AS Entente, ballon marqué par Pamorsila. Tous pour attention coup franc pour le numéro 11 Benjamin passe bi Djogeti Babacar Ndiaye attention dégagement du numéro 11 repris par Babacar qui fait un bon match tête de Babacar Ndiaye tête de Mam Jombo. Mam Djombo Baitala, Baitala, Baitala Baitala Baitala qui de l'autre côté ah il n'a pas trouvé Ndiadji C'est comme à l'entraînement il sait que d'habitude Ndiadji est à l'autre côté il cherche Ndiadji tous de Omar Boub il est toujours oh non c'est le latéral Ibrahim Ndiaye, il essaie de gérer parce qu'on est à l'approche de la fin du premier parti. La il essaie de gérer. Attention, ballon pour... Euh, ballon pour le numéro 18. Le ballon, on dit que le ballon est pété. Hein. Balbi Le ballon à... Balbi Dafa perd. On demande de l'autre ballon attention il y a quelque chose il y a quelque chose laissez l'arbitre faire son jeu c'est c'est le dirigeant on dirait que Wadimo ji la il paraît que Wadimo Bonne l'arbitre euh, bi Amlumi demande des papiers. papier je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire pas d'énervement on voit là le banc de l'ASC e Entente qui essaie de protester. On a. Le ballon et dafa mel ni ko jox carton rouge sanctionné par le, délégué du match sanctionné par le délégué du match on a toujours 0 1 1 à 0 pour l'ASC Entente On a la ni la ca commencement ba ni ASC Dego di replié woo jëm ci surface am baaxul ci moo waral bii bi mën a ñëw noonu. waaw xam nga man dama <clears throat> damay wax souvent ma ne laay see entendre euh, booy fulal moom dafa am taxawaay yoo war a taxaw. dafa am noo war a defee parce que aussi. c'est une équipe euh, c'est une très grande équipe c'est une équipe qui aussi qui a qui a du jeu euh, c'est une équipe aussi euh, soudée c'est une équipe machallah qui a de l'expérience parce que il a il a beaucoup gagné sur sur cette zone donc il faut donner le ballon. Alpha trop il a trop gardé le ballon. Mam qui donne. qui va donner pour son numéro 18 que je disais tantôt le numéro 18 qui va chercher attention voilà donc ya Jibi Gueye qui suit. Il y a Jibi Gueye qui suit. Là, il y a Jibi qui suit le ballon. Il y a qui suit. Il a repris le ballon. Ils se connaissent. Jibi Gueye, je vous l'avais dit que il était l'ancien gardien de l'AC de Go même. Mais, mais, mais, damay wax ni Gora Djibi machallah Oh, attention, attention Bassem. Oh, Orjo. Orjo. Ouais, ouais, ouais, ouais. Méfiez-vous, méfiez-vous de ce garçon. Il s'est bien marqué début. Machallah. En, tout cas, la défense de l'ASC a e commencé à craquer. Bah, euh, sang dama doon wax ci Pape Mor Sylla am luma luma luma ma lu ma tax arrêté ma ne Pape Mor mhm. il a fait il a fait euh, un bon nawetaan di bon nawetaan aujourd'hui euh, ren def na nawetaan yu macha allah yu bax parce que Pape Mor dafa nek numéro 9 dama yakar ni sax nawetaan yi passé muy daw ak daw jéeg bi mu nekkee ci di football comme comme neuf ñu def ko comme neuf jëlee won ko ci militaire bi xagn na booba dafa dafa beesoon dafa perdre doon ay repère mais cette année bi mu ñëwee macha allah gis nañ en toute sincérité li nga xamni mom lay apporter ci kaw en tant que neuf parce que dafay ñëw neuf bu mobile neuf bo xamni ni de ah, des fois sax bu ko laajee day infiltré wu ci terrain bi ah, pour def appel appel en courant appel appel lay def daw. laaj appel mobile. Ah, mu nekk appel boo xamni appel appel bu am solo la il joue même des fois aussi il joue sans ballon mais pour le moment ce qu'on peut dire on a joué la première mi-temps et l'ASC euh, euh, Entente de Thiénaba a mené par 1 0 sur Pape euh, sur but de Pape Morsila à la 26e minute. sur une bonne passe de Babacar Ndiaye donc très relance au départ de Pape de Babacar Ndiaye le taux

mu ngi doon football ak euh, l'ASC euh, jamono équipe am mu ngi doon football keroog mu gagné euh, soxna si bi nga ñëwee léegi lan nga jàngagul ci match bi nga xam ne moo xew ci diggante entente ak l'ASC Deggo waaw salaamaaleykum sama nijaay maa ngi lay nuyu gis nga sànq damaa ñëw dem taxaw fale ndax damaa bëggoon a xam affaire bi nu mu demee ne nga mais li ma ñëwee li ma fi jotoon a jàngat mooy que ni match bi xawoon na balancé wu tuuti ci côté ñaari équipe yëpp tey mënuma woon déduire ni carrément entente dina ko dina ko dugal léegi léegi wala kële dina ko dugal parce que ñoom ñëpp ñu ngi doon joué ku nekk yaa ngi def li nga man euh, yàlla def na entente moo njëkk dugal donc euh, li des daal la match reste quand même am na loo xamante ne moo des ñu ngi ci première mi bi donc première mi-temps bi balancé woon na neexoon na ci ñaari côté yëpp macha allah donc euh, liñ ci gis rek mooy que ni joueurs yi def nañ seen war ku nekk yaa ngi def li nga xamante ne mooy li nga mëne kenn gañeegul nag 1 la mais bon. lan ci biir après. voilà lan ci biir pour le moment lan nga second. waaw les ma gis toujours oh, su fekkee ne Dego, Deggo dafa continuer de jouer ci cette manière là il va encaisser un deuxième but ça certainement Les ma bëgg mooy buy dugg si mu duggaat ci sur une autre façade parce que instant bi là c'est entendu il tient bien le match il tient bien le match repliement de la défense de l'ASC Deggo arrangé wu ko bu ma doon coach bi man dama koy wax mu jéem génnee gaa yi ñu jàll ci kanam mu jënn bali sànni ko ci el bi comme le fait mais bëgg jël benn attaquant teg ko ci kaw 4 bi bu ko jéemee jouer rek système défensif bi du ko arrangé. voilà donc euh, ci kanam tuuti incha allah dinañ ñëw ak yéen. Euh, ni ko Wolof di waxee rek ñu xool nan la waaneen di mujjee ak ay bëtam euh, loolu yaakaar naa ni mooy li ñuy tàggoog yéen ci premier mi-temps bi Talla Sarr moom la ñu àndal ci caméra bi notre caméraman professionnel weddi nañ yeneen caméraman yi nga xam ne ñoo doon ñëw terrain yëpp weddi nañ leen macha la ñu wax Talla la ñu wax taala moom la ñu wax. ba ci kanam ci kanam kon gars yi ñu dem ba ci kanam jéem a màcc crème tuuti daal di serlu ba deuxième mi-temps na Ibou Fall kam laaj la Ibou Fall li ne sa saag Ibou Fall li ne sa bay ziyaad ah, <laughs> ah li war kay nanu koy def euh, vraiment mooy neexal nawetaan moo koy neexal yëpp day neexal nawetaan alors repris euh, par ça fait la beauté vraiment des nawetaan euh, muy am wàllu physique yooyu yëpp ci yoo xam ne aussi dañ koy def sax pour la forme rek. waaw attention Baye Talla. Baye Talla gis naa ko ko teg jaaj jaaj attention jaaj jaaj ci laaj bi rek. Tamboris pour revenir en arrière donner à Ousseynou Ousseynou qui donne à Moustapha. Souleymane Seck qui va donner à kii. ñu génn waay ah. Voilà, donc, euh, ballon pour Babacar Ndiaye. Il va essayer de faire la relance. Il donne à Ousseynou. Oh, deux, deux, deux. Quel match Oh, oh Je vous l'avais pris là. Ça va sortir normal dans

coup franc tiré par Omar Mboup ñoo ngi ci match bi entente dañu dugg rek ñu commencé dal ci kaw déggoo noo ko gisee soxna si. waaw comme ni mu daan demee rek comme ni nga ko wax toujours première mi bi dañuy dañuy vigilant comme ni ko sama nijaay waxee sànq euh, jëm nañoo yër camp yi xool xam nañ ni camp yi dara instant yi nii euh, mën nañ ko yëraat à maintes fois donc ñu ngi commencé def seen tactique de jeu Nous daan donc attention ballon récupéré par euh, Babacar Ndiaye oh l'assurance, l'assurance touche touche touche de Babacar Babacar a fait un bon match. man comme toujours rek euh, la match toujours match lay parce que ñom ñoo bokk donc toujours day doon match boo xamantene kenn du nangoo bàyyi sa morom dóor malgré que ko bàyyi sa morom dóor parce que match der bi la boo demee sax ci koñ bi day neex lool avant match bi day neex day neex lool ci commentaire yi ba ay affaire fitis amu ci sax non non non ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi bu match bi jàllee jeex na waaw loolu day xumbal nawetaan yi rek waaw waaw day xumbal nawetaan yi comme ni nga ko waxee mais nawetaan la nawetaan aussi euh, vraiment loolu ci la bokk euh, donc corner bi euh, corner bien tiré tête de kii finalement y a la défense de l'ASC euh, Entente qui va sortir euh, un bon tir qui passe à côté. Donc euh, en sortie de but, euh, sortie de but pour l'ASC Entente. Entente nous rappelle, mon mené par 1 à 0 en faveur de l'ASC Dego mon aussi mon double à la 26e minute de jeu. premier première mi-temps par Pape Mor Silla demi-finale aussi Coupe mère bu Tianaba euh, donc euh, pour le moment euh, Dembou, première demi-finale bi l'ASC diapo bou Touba Gueye gagne gagné par 1 0. Attention, le numéro 11 qui passe. Voilà, donc, mais il y a Cheikh Tidiane qui va venir pour euh, arrêter le danger. Le qui sort en corner. ma moi, je ni l'AIC Diapo, Momo, écrasé hier, l'AIC euh, par 5 buts à 1. Moi, nous avons dégoulé, nous Donc, na trop metti woon aussi ñu à de revenir à l'escore attention corner tiré par le numéro 11 attention tête repris par Djibi pas de danger. voilà bien suivi par Djibi c'est un bon gardien de but. Euh, il a fait un bon navetan euh, cette année, donc euh, Djibi, il est présent. donc là, Babakan Ndiaye qui va lancer pour Djadji Khan. qui va, attention, l'arbitre nous dit qu'il y a hors-jeu. de tout ce que nous dit qu'il y a hors Donc le numéro Alpha Diop qui va essayer de déborder. Alpha qui fait un pont, mais finalement il ne réussit pas. Il ne réussit pas, Alpha. Il y a Djibi qui sort.

Euh, d'affaire le football euh, comme 6 euh, si l'équipe est défensive mais si l'équipe est offensive il est le numéro 8 parce que numéro 6 bi ndax 6 lay football ndax non non football aussi c'est football 6 cest dit mom lolu positionnement lam positionnement la même boko don def lo 10 sax lolu seddu nako ci mom en tant que son père seddu nako ci mom mu nek joueur bo xamni ni lolu la bëgg parce que xamul tax bayta la Euh, dafa bok ci joueurs yi nga xam ne nii ñoo gën a bañ defet. xam nga joueurs yi bañ nañ defet mais bàyyi taal defet ku ko xam xam dëgg dëgg dëgg dëgg xam li ko defet ni ko defee di def. Euh, yaakaar waaw moo tax moo mu ci garba kanam moo tax dafa am jom. corner de corner bi dem na corner bi dem na repris par la Dego le numéro 2 attention attention ballon perdu repris encore par le numéro 2 dans la boîte attention le numéro Alpha Diop. attention Mam Djebou, oh, bien joué bien suivi par Djibigaye, bah, bien suivi par Djibigay. bien suivi par Djibigay. mais il faut se méfier finalement euh, euh, ils ont campé le jeu euh, dans dans les cas de laisser Entente donc vraiment il faut que la défense voilà le numéro 11 qui va faire Jibigay qui sort pour prendre le ballon il faut tempérer, Il faut tempérer. Il faut tempérer. Voilà. Donc, euh, voilà. Donc, il fait la relance pour Ousseinou Sek. Euh, pour qui Ibrahim Ndiaye. Ibrahim Ndiaye, capitaine, qui renverse sur l'autre côté pour chercher Pam Morsila. Pam Morsila qui va essayer de faire un grand pont, mais il ne réussit pas. Il y a la défense. Attention, finalement, il récupère. Il a réussi. Hein. Le ballon, Pam Morsila. Oh, Pam Oh, Pam Morsila. Voilà, il a mal fini l'action. Il a mal fini l'action, mais finalement le ballon revient dans les pieds de Chartidian euh, qui met un long ballon. Tête de la défense, euh, le numéro Djadjikana euh, qui perd le ballon. ballon dans le milieu de terrain. Pour qui pour le numéro 13 qui va chercher Khalifa Tal. Khalifa le numéro 10 finalement. Khalifa Tal qui ne perd pas le ballon. Qui revient pour donner à qui Attention oh! Voilà, donc il y a danger, il y a danger, il y a danger. Finalement, il y a Djibigay qui sort. Voilà, il y a faute sur le gardien. Non, l'arbitre ne dit rien. Voilà donc euh, le ballon qui revient. Attention C'est dangereux. Koufran, c'était dangereux. C'était dangereux. Dego vient de rentrer dans le match. Ah, c'est Dego mingi dugg ci match bi. Attention Mayul Mayul lay c'est en tente mu jéem a développer jeu bi mu doon essayer de construire toujours 0 1 euh, bi partout. 1 bi à 0. Ah, mais mais li see góor a góor match équipe bu nekk day am day am temps forum. am. Mhm. waaw léegi des fois man damay wax ni. Euh, équipe yi des fois bu bu pour ñu gérer temps fort équipe gis équipe bu fekkee da ngay jouer ak moom bu amee temps fort tuuti da ngay essayer casser bi casser rythme bi nag euh, bokk na ci lee nga xam ne moom le joueur entente bi di def mooy tëdd récupérer waat tuuti waaw mooy casser rythme bi tuuti euh, bu ko defee bu ñu ñëwaatee lañ doon def xañ na duñ ko mën a continuer waat loolu tam bokk na ci quoi des fois ngay gérer li nga xam ne moom mooy temps de jeu équipe adverse Euh, donc lolu aussi lo ama am am solo la gis nañ Ramos daw ñew ci ban bi euh, amna wax ak euh, ak ak ak supporters yi voilà ba finalement ils se sont réveillés donc dafa melni ni supporters dañ doon nelaw voilà dañ doon nelaw tuuti voilà donc lolu la quoi. pousser leen ñu ñu égaliser. Ramos dem na ci supporters yi di leen demander. parce que équipe supporter da ciy baax da lay yokk jom. da lay may côté l'ASC Deggo mi ngi puus mi ngi puus. voilà nuñ ko taal di wane euh, mu noot caméraman mu ngi woon supporter yi nga xam ne moom mooy supporter ASC ah, la sécurité mais mais góor a góor euh, dafa am loo xam gis nga baatu supporter. Euh, ni ñaa ngi koy wax mais des fois ay amateur ñoo fi nekk. amateur mooy wala ay fans. Hmm. dañuy nekk ci ginnaaw équipe bu fekkee équipe bi moo jiitu. Hmm. ñu ñu dégg seen i baat. wax nga dëgg loolu loolu jikko sénégalais la jikko sénégalais sénégalais xamul defet loolu tubaab yi ñoo man loolu tubaab yi ñoo man bu leen dóoree ñu yuuxu bu leen dóoree ñu yuuxu loolu tubaab yi ñoo ko man fan nga fàtte joolaa nak nag Casamance waaw joolaa ñom ñoom surtout euh, Casa Sport bu Casa Sport euh, nga gis euh, vraiment ñu nek ay ay attention on va suivre dégagement de Cheikh Tidiane Gueye Pape Mor Sylla télescopage entre Pape Morsila, il y a Ramos qui dégage Ramos qui cherche Khalifa Tall Khalifa Tall ballon va sortir en touche touche en faveur de l'ASC euh, Là, c'est euh, entente que va effectuer Ibrahim Ndiaye. Donc, il euh, laisse le soin à Ibrahim Coréen euh, de faire la touche. Ibrahim qui cherche qui Qui cherche Pape mort Non, qui cherche, je crois, c'est. voilà, Pape Momodou Ndiaye. Finalement, il y a là tous en faveur de l'ASC qui sert Khalifa Tal. Khalifa Tal qui va essayer de déborder, qui revient dans son pied droit, euh, qui fait un crochet. Khalifa Tal qui va essayer de centrer. Finalement, il, il fait ses gestes, il tergiverse, mais il y a, oh non, il y a rien. L'arbitre ne dit qu'il n'y a rien du tout. Khalifa Tal qui garde le ballon. Oh, l'arbitre, il faut siffler le coup Il a, euh, il faut siffler. Il a passé, il a fait deux, deux tacles successivement, 17 ans. Non, par rapport à son premier geste, il voulait influencer l'arbitre pour qu'il euh, siffle un coup franc. Mais l'arbitre n'est pas tombé dans le piège. Mais euh, sur la deuxième geste, l'arbitre a jugé qu'il y a faute, euh, donc il l'a signalé. Euh, donc, euh, faute euh, en faveur de l'AS Dego. c'est un coup qui se situe juste à côté du point du, du, corner. de la gauche vers la droite. Donc, je ne sais pas, c'est un coup Attention, tiré par Omar Boub qui tire le coup La tête, la tête. Oh Attention, égalisation de l'AS Dego. Attention, l'égalisation de l'AS Dego par le Alpha Diop. Alpha Diop qui égalise je vous l'avais dit de moom tee woon match bi égalisé na nee na fii ñoo ko xam ba xam yéen ko mom wala nous ci kanam déggoo égaliser na dinañ xol ci kanam attention le numéro 11 nee na danoo liggéey ne woon naa la njàmbe match bi du yomb. voilà du yomb parce que c'est un derby euh c'est un derby mais euh, li ma doon wax sang rek euh, tu sais en matière de foot il faut savoir gérer euh, les points forts et les points faibles. Euh, finalement l'ASC euh, euh, Dego de Canaba a obtenu euh, son, temps de jeu. Et il l'a exploité finalement. Il a obtenu, il a égalisé sur euh, un coup franc euh, qui est venu de la, de, la, gauche vers la droite. Et on a vu la tête de Alpha, Alpha Diop qui a mis le ballon au fond des filets. mais je le disais tantôt, si toutefois que l'équipe obtient son, temps de jeu, il faut que l'équipe adverse essaie de casser le rythme pour se retrouver au pour le faire perdre. Je l'ai dit tantôt, je l'ai dit tout à l'heure dans, cinq dans, 5 minutes, je l'ai dit, mais finalement donc euh, il y a égalisation de l'AIC euh, Dego qui vient d'égaliser. Euh, sur euh, balle arrêtée. Je l'avais dit, j'avais dit qu'il faut se méfier sur les balles arrêtées. donc l'ASC Dego. Ballon perdu par la, défense de l'ASC Entente. L'ASC Dego continue de pousser. Ibrahim Attention Ibrahim Mauvais dégagement. L'ASC Dego, Tahawai bi n'en jamais. Tahawai bi se Oh, mauvais tacle. Attention, mauvais tacle, oui. Coup franc sur Serge Diangay laay see déggoo taxaway bi bax la fim mu toll dama yakarni sen seen yi dañ leen wax li ma doon wax naan bu nu duggaatee nan defarwaat defarwaat nan ba égaliser attention dégagement attention Diadji Kane oh déviation de Diadji loupé nako ladji ko may ladji attention attention le numéro 11 laay see déggoo ñi ngi ci match bi oh Alpha Diop il hors-jeu de Alpha job hors-jeu hors-jeu il essaie de lance de se relancer même laay see déggoo a égalisé sur un joli Coup de Omar Moub, Attention Ramos. Sortie du gardien. sorti du gardien. Oh, coup de Pamor Silla. Non, man, man, Gore. un problème, moi, Khalifa Mbaye. Oui. Khalifa Mbaye, vraiment, il n'est pas sûr. Il n'est pas sûr. Khalifa, Mbaye, c'est un gardien de but qui fait trop, trop, trop, trop d'erreurs. L'homme, vraiment, man, je ne sais pas euh, qu'est-ce qu'il y a je pense avec le public il manque de compétition ci la bokk parce que jour boko ko mayul confiance bu diké day lox parce que lu mu ndaw ndaw dang koy jox confiance mais c'est la c'est il paraît que c'est la deuxième fois mu nek ci camp yi moo euh, muy def yu mel nonou écoute euh, gardien de but wala joueur euh, suñ la défé ci camp yi tamit li nga wara a def mooy woné ni man camp yi man mako mom n'est-ce pas mais waroo woné luñ la ci waté te li muy def ni en toute sincérité en tant que sportif. Euh, du fekkone ni euh, man ma nek ci banc wu banc wu ce Deggo euh, li muy def ni dalul xel donc donc vraiment su amé ci sévi bi lako lal ci sévi bi Locolal, mingi mi ngi ci est-ce qu'ils sont préparés pour un deuxième gardien je ne pense pas qu'il y a un deuxième gardien quand même un arrêt de jeu laay c'est déggoom lii mu def ni arrangé wul arrangé parce que day day day day day delloowaat entente ci ci match bi su essayé de accélérer won nonou dina dina mën am but deuxième but ah y a des signes de signes de crampes yi ñi ngi commencer di feeñ le numéro 11 est couché sur le sol

même pas euh, dans les cinq dernières minutes, a décroché situation. Donc, nous avons On a vu le, coach de la Entente qui s'est parlé avec son capitaine. Si Khalifa Mbaye ne s'est pas relevé pour le moment. Djogogoul, Djogogoul, le banc. Il faut que entente pour nga jouer ak il faut nga am condition plein bo le di nga meuna tenir deuxième mi-temps problème mi premier mi-temps c'est pas un problème mais le deuxième mi-temps là. Mais moi, moi, je connais la SCDGO. Ils ont l'habitude de s'entraîner vers le soir jusqu'à le crépuscule. Heure c'est seen heure là heure bi le deuxième souffle de guen bu ma waaye heure bi lan de entraîner heure bi lan entraîner. parce que ils ont l'habitude de s'entraîner de de 5 h vers 17 h 19 ñom kër gu lan. gën a tàmm mooy seen heure. loolu du leen sonal parce que. du leen sonal lu mu gën di lu mu timis ñoom ñi gën a am li nu bëgg parce que xam naa leen xam naa leen. entraînement de 4 heures da cee. Euh, benn euh, benn question. waaw. Euh, ban ban ban différence. waaw moo am entre match entente bu njëkk ba ak match tey bi. bon match entente bu njëkk ba la la CDG n'était pas prêt parce que dafa am jour boo xamante bi ni moom moo leen di may de confiance mooy Ramos. Ramos day porter équipe boy dañuy am confiance parce que à la présence de Ramos oh, attention coup franc sur le numéro 12. comme nima ko Ramos day porter équipe ci les joueurs nga ko di di wax parce que Lolo gis naa ci mom mais bu jéwul rek day lu baré baré baré ballon pour Babacar attention. Euh, bien vrai euh, réponse bi nga mais les matchs euh, de aussi moi, vraiment, là, vraiment attention repris par attention. oh là là Orjo. Orjo finalement tu sais Orjo parce que parce que Alpha Diop bal bi vraiment deux pas. Ah, mais retour ah. bi Khalifa il a fait un très bon retour. Ah, trop parce que vraiment disney euh, euh, il. mooy li ma doon wax sàng rek. gis nga match différence su bi ak déggoo ak match su entente ak déggoo. bu njëkk attention ballon perdu yow xam nga ban différence la am. différence bu bu bi am mooy euh, laay sa déggoo dafa gën a sérieux par rapport ak match bi c'est-à-dire c'est-à-dire euh, dafa dafa dafa gën a respecté laay see entente parce que euh, bu njëkk dañoo ñëwoon seen match bu njëkk ba di woon entente ni ko daxoo ñëw football. daal di teg ballon bi di jaayanteeg moom football ah, te man damay damay damay wax depuis li ma yàgg a wax mooy ASC Entente képp kuy dajeeg moom di ko jaay ni football da ray amul ma dem te ñew euh, donc li ngay wax moy il faut reconnaître d'abord ses qualités qualités yi ngay reconnaître moy équipe la bo xamni amna expérience équipe bu am euh, collectif la machallah équipe la bo xamni aussi amna jeu déjà euh, bo bo situé bo situé lolu ba pare nga xamni ne am na ko léegi nag da koy empêcher mu def lolu pour man bañ la gañ moom la léegi loolu moo manqué woon loolu moo manqué woon tey noonu la ñëwé motax match bi xawa serré tout way way tay ils sont bien préparés ils sont bien préparés pour essayer de contrer l'AS Entente parce que ni ma gisee les ñu taxawé li ASC Entente defoon nous déglu woon mais ñom danoo ñëw taxaw ci leen ci militaire terrain fekk si leen parce que nous ñu fàttali ci tournoi bi c'est les mêmes joueurs qui jouaient dans ci tournoi Ibou Diop bi kon ils se connaissent très bien parce que Ramos mom li ma lay wax rek moy day yanu équipe bi di leen may confiance c'est un joueur de caractère mais positionnement Alpha Diop la la wax Mbaye Niamé nan nga ko jàngate ci déviation ballon yi def il fait un bon match Alpha Diop. bon il fait il fait un bon match Alpha comme tu l'as dit euh, tantôt. Euh, Alpha Diop, c'est un joueur qui est intelligent. Il, est, il, n'a pas beaucoup de gabarit, euh, mais il est, intelligent. Je ne sais pas, euh, est-ce qu'il est technique ou non, je ne sais pas. donc, mais de toute façon, c'est un joueur. attention, attention, il y a le gardien Khalifa Mbaye. Khalifa Mbaye, qui, reprit le ballon. sur vraiment la menace. Il est blessé, il s'est fait. La menace de Pape mort, Si Khalifa Mbaye finalement est sorti pour prendre le ballon. Le ballon, attention, mauvais passe. Il y a il y a Ramos, Ramos qui met la tête. Ramos qui met la tête, le capitaine de l'ASC Dego. Ramos qui est sorti pour euh, finalement arrêter le danger. Ramos euh, euh, qui donne à qui À son numéro 11, qui mal amorti le ballon dans les voilà, touche en faveur de l'ASC Entente, effectuée par Baïta Legay. qui cherche Pape Morsila. Pape Morsila. Euh, pour Suleiman Sek. Suleiman, il faut renverser. Finalement, il le fait. Voilà. Au-dessus de la barre. C'était, c'était dangereux. C'était dangereux. Voilà, donc un but partout entre l'ASC Entente et l'ASC euh, Dego pour la demi-finale, la deuxième demi-finale euh, de la Coupe Mère euh, taladiane de 2006, 2016 du moins, 2016. donc entre l'ASC Dego et l'ASC Entente de Tchanaba. premier but marqué par, par Pape Morsila. en premier mi-temps et en deuxième mi-temps on a vu l'égalisation de l'AIC Dego sur un, un, un, un, bal arrêté euh, centré. Euh, on a vu la tête de Khalifa Tal. Khalifa Tal. Oh C'était le même coup de tantôt. Oui, le même. Oh, attention, petit coup c'était le même coup Sinon, on n'a pas bien suivi. Ils vont le mettre au fond des filets. Certainement se répète encore. Ah. l'erreur se répète parce que ni la on ne sait oui, oui, madame nee l'erreur se répète la mademoiselle Ndiaye l'erreur se répète peut-être mais je pense que le gardien de but et la défense ne vont pas s'endormir pour pour pour encaisser ce deuxième but. Euh, mais Gora, ce, qu'on a observé aujourd'hui aussi, c'est Khalifa Tal. En général, il fait euh, tantôt de mauvais matchs, mais aujourd'hui, il a fait un très grand match. Il a participé offensivement, défensivement et techniquement aussi. Il a participé sur euh, beaucoup d'actions. Euh, c'est lui-même euh, qui va euh, qui s'affaire autour du ballon pour tirer le coup franc. à mon avis, le mur est, le, mur est très loin. À mon avis, le mur est, ah, le, mur on dirait que c'est un mur de Toubagay vers Kermagay. Voilà, Kermagay, non, non, non, c'est c'est Tchawaré et Kermagay. Ah ouais, c'est trop loin. Attention, on suit le coup. Voilà, on va suivre le coup franc. Donc travail à l'entraînement. Il y a le jeu qui se déplace. Attention, le, mais même c'est le même Alpha Diop qui essaie de reprendre le ballon, vous l'avez vu. Peut-être ils ont travaillé ça à l'entraînement. Ça me rappelle euh, la finale de, du 2009, euh, gagnée par l'ASC Dego. C'était par euh, l'ASC avait ouvert le score. L'ASC Dego avait égalisé. Attention, le numéro 14. Le numéro 4 qui change. oh là là, attention, pas Morsi là, il n'a pas suivi. Il n'a pas suivi. Oh là là, il n'a pas regardé. Le numéro 18 qui fait un bon match. Attention tous pour Baytala, euh, Baitala. Attention, le numéro 14, coup pour le numéro 4, pour, le numéro 11. Mané, ça me rappelle, Mingmay fat final 2009, Biko Dego Dijel, entente mon Djoko Dougal, Dego égalisé, non, la may rappelé le film Tony. coup franc pour Baytala Baytala qui tire qui tire qui met dans la boîte Khalifa Mbaye repris par Khalifa Mbaye bon saisi Khalifa Mbaye qui temporise Il a hier. hier. gagné da ngay gaw loolu la ko waa wax bo beugé gagné da attention l'arbitre ne dit rien Alpha Diop il se triche donc Gora un vit partout entre entre la et l'ICD Entente donc on va suivre l'action il y a Ramos qui fait la couverture finalement le numéro 6 euh, qui va dégager le ballon très loin il se débarrasse voilà. a compris que train de procéder des, des contre-attaques voilà donc 6 euh, mètres là 6 mètres bien nag euh, ASC entente mom am donc Djibi mon mot tek teg ballon bi Djibi Gueye ballon bi y a Babacar Ndiaye muy jël élan euh, pour euh, dégager ballon bi Babacar Ndiaye Babacar Ndiaye moy dégager il met dans la boîte qui son partenaire finalement il y a la tête euh, Fort way Fort sur le numéro 18 latéral gauche de l'ASC Dego je vous rappelle que nous sommes accompagnés aujourd'hui par notre caméraman Talassar. On va suivre le coup franc. Cheikh Gueye qui met dans la boîte, qui sert Suleiman Sek. Tête de qui Cheikh euh, euh, non, Ibrahim Ndiaye. Le numéro 5 est capitaine, qui revient sur Cheikh Tidjan Gueye. Euh, sur Ibrahim Coréen, Coréen qui perd, qui met dans la boîte, qui sert Alpha Diop, attention Ouais, mais très bien joué euh, pour Djibigay. Djibigay, il, a, il, a, il, a, il, il est, Djibigay, il est bon, il suit. Euh, si c'était pas... Attention Alpha Diop Alpha Diop C'était dangereux Alpha il fait un bon match c'était dangereux, c'était dangereux, c'était dangereux. Mais si ce n'était pas la présence de Djibigay, Djibigay, il suit, il, il, faut pas ça. Attention, voilà, donc le jeu continue. Ah, ballon pour qui le ballon dans les pieds du numéro 11 qui va essayer de centrer. Euh, mauvais centre. Baita le euh, qui prend le ballon. Qui cherche. Voilà, Baïta là qui perd le ballon. Attention, il faut suivre. Le numéro 14, Pamdiaya, qui introduit, qui va essayer de renverser Ramos. Voilà, donc euh, ballon pour qui Qui va revenir dans les pieds du latéral gauche. Le numéro 18 qui va essayer de chercher euh, euh Khalifa Tal. Sur l'autre côté, aujourd'hui l'arbitre. Il y a euh, deux changements qui se préparent. Deux changements qui se préparent du côté de l'ASC Entente. Il y a Ousseinou Ndiaye, le numéro 11, et Ahmed Fall, le numéro 7. Donc, deux changements. Il y a Pam, qui sort. Pas Mamadou Diaye, qui va céder sa place. L'occasion, l'opportunité de casser, de tuer le match. Oh il y a pas Mamadou Diaye euh, qui sort. Je crois que aussi c'est pas Morsila euh, qui va sortir. Pas Morsila, il va céder sa place à, à Ahmed Fall. Voilà. Du latéral euh, gauche. des fois il joue comme excentré aussi. Il semble un peu fatigué, fatigué content. Voilà. Non, je ne pense pas, c'est un grand jour, il n'est pas mécontent. C'est un grand Malheureusement, l'arbitre lui dit de, reprendre le maillot. Il faut reprendre le maillot. Il avait un carton jaune. S'il avait un carton jaune, l'arbitre va donner. Il faut reprendre le maillot. voilà l'arbitre. Le carton jaune. Pour pas morcer là. C'est un carton vraiment inutile. La réaction du coach de l'ASC en tant il a fait ces trois changements en même temps à la, le numéro 13 et le numéro ah, Je vous le disais, c'est Djadjikan qui va céder sa place à Sherfal. C'est Djadjikan qui va qui va céder sa place à Chefal. Lui qui avait marqué les deux fameux buts de l'ASC Antoine face à l'ASC Diapo de Toubagay. Mais, mais Gore, Gore, mon constat, mon constat, c'est-à-dire en général, euh, si on fait vraiment le, totaliser les, si on totalise les buts marqués par là, Entente, mhm. euh, je crois que la majorité est marquée par Djadikan eh ben, et, par Morsila. Donc euh, c'est eux euh, qui viennent juste de, de quitter le terrain. Mais je pense par, par, par Ahmed Fall et, Cheikh Fall et l'autre là, comment dire encore, et Ndiaye. Si, si, je me trompe pas, Ahmed Fall aussi c'est un bon attaquant. Il a marqué un but dans le championnat. Il donc euh, peut-être que Dinah a Ben bi mais pas Mor avec ak euh, c'est des bons attaquants attention dégagement de tête de tête de l'arbitre ne dit rien Oh, Baye ballon perdu ah touche dégagé en touche ballon dégageant il y a un changement aussi qui se prépare euh, du côté de l'AS Dego Ouais, pour du côté de c'est c'est c'est c'est Amadou Sek qu'on dit Ndof, c'est Amadou Sek dit Ndof. Pourquoi Ndof Ah je sais c'est un surnom surnom bon comme ne ay xaritam ñoom ñoo koy woowee. mais lu tax ñu ko Ndof. je ne sais pas je ne sais pas. lu tax ñu tuddee ko Ndof. waaw ah, dinaa ko laaj ah ñu xamone ci bu yag amone na ben gendarme bu dëkk nekkoon xombal bu daan wowe Ndof. gendarme yaa ngi nii di de. non loolu yag na loolu yag na loolu mom duñ ma ci tëj xamna ni. voilà donc xajna mo lay lañ ko tuddee. Ah, gendarme parce que man dans les années 80 djom ben grand ben gendarme bu euh, Le euh, numéro 11 bi euh, numéro 13 bi ah mo genn jox voilà le numéro 8 9 donc il ah, y a un corner donc corner pour l'ASC entente qui que va tirer Souleymane Sek le numéro 10 de laisser entente ah, si je parle de numéro 10, je parle de sa ah, position. Voilà, corner très dangereux. Attention, il faut se méfier. Euh, tête de Ramos. Ramos qui sort pour prendre le ballon en tête. Il y a, oh, attention, il faut, se, il faut jouer le jeu. Il faut jouer le jeu. Il faut se méfier des contrats. Voilà, finalement, il y a le ballon qui revient dans les pieds d'Ibrahim Ndiaye. Ibrahim qui donne à Cheikh Cher Cheikh euh, qui introduit pour à son frère. Cheikh qui introduit pour à son frère. Mais il y a le numéro 5, latéral droit. Ah, qui surgit pour euh, arrêter le danger et dégager le ballon en, touche. Un but, partout. Un but partout. Voilà, donc touche effectuée par qui euh, euh Par Soleil, Soleil euh, euh corner. Corner, intelligent. Intelligent pour Baïta Lagay. Balbi, Mingiti, Tikan et Dego. Mingi et corner, ça se répète. Dama Yakarni. Baïta mon mot corner. Bi. Voilà, Baïtala j'ai na élan. Dorna ballon Attention, tête de qui euh, Tête manquée de Suleiman. Il y a Khalifa Tal qui dégage. Khalifa Tal qui cafouille. Tête d'Ibrahim Ndiaye qui remet pour euh, dans les pieds de qui nous Sek. Oh, mauvaise passe, c'est trop long. Voilà, l'idée était bonne. L'idée, l'intention était bonne. Oui, mais euh, finalement, l'intention était bonne, mais finalement, il a trop poussé le ballon. Et le ballon est sorti, mais l'arbitre nous dit qu'il y a Orjo. Il y avait Orjo, donc Orjo. Euh, que va tirer le numéro 6 euh, de l'ASC, Omar Mboup euh, de l'ASC Dego. Omar qui tire pour chercher Alpha Diop. Mais finalement, Alpha qui va essayer de tenir le ballon. Mais il y a Chertian. Il faut assassiner Chertian. Hein? Mais qu'est-ce que ça veut dire ça C'était dangereux. C'était dangereux. Hein? Tu sais, Boy Alpha, il est intelligent. Voilà, il est très intelligent. Si c'est en matière de foot aussi, l'intelligence joue. Donc, nous nous méfions tout ce qui est intelligence. Eh bien joué euh, pour le latéral qui s'est Khalifa Tal. Mais il y a Ousseynou Ndiaye. Ousseynou Ndiaye. de Ndiaye. Ah. Euh, le bon retour de Ousseynou Ndiaye. On nous tue, mais on ne nous déshonore pas. C'est la devise des militaires. Et Ousseynou est militaire, et il est soldat. On nous tue, mais on ne nous déshonore pas. Ça, c'est la devise des soldats, des militaires. Donc, euh, et Ousseynou Ndiaye, il est là. Donc, c'est un, homme très courageux. Corner. Corner pour l'ASD. Non, non, 6 mètres. 6 mètres dit l'arbitre. Voilà, 6 mètres dit l'arbitre. L'arbitre est le maître du terrain comme je le dis à chaque instant. Non, finalement, euh, le chrono, euh, j'ai perdu le chrono. Ah pour la deuxième mi-temps, c'est pourquoi je n'ai jamais annoncé le temps. Dego se presse pour essayer de marquer un deuxième but parce que nous connaissons ne xam nga ni boo dugalee rek carte gi Là, c'est Dego pousse l'ASC Antar un dégagement de Cheikh Tidiane mauvais dégagement repris par Ousseynou Seck Ousseynou Seck Ousseynou Seck Seck oh non non non non non, Cheikh Cheikh yaa Baitala, Ahmed Fall, son premier ballon. Ahmed Fall, oh, ballon perdu. Dégagement de. Attention, le numéro Alpha Diop. Il... Oh, bien sorti du gardien de but de l'ASC Dego. Tu sais pourquoi le gardien euh, Djibi Gueye a sorti le ballon en tout C'est parce que. Il y a des signes de fatigue. C'est parce que Alpha Diop, Alpha Diop a suivi l'action. Alpha Diop, c'est un bon attaquant. Il ne lâche rien. Alpha Diop, il ne lâche rien. Il suit bien. Dubaï Dara. C'est un bon attaquant. Voilà, il y a un joueur blessé, je crois que c'est Khalifa Tal. Khalifa Tal aussi qui est couché. Donc, euh, je crois que bu faites ni match voilà un bi partout entre ñaari équipe Kibi. comme il est on est à la 32e minute. on est à la 32e minute. ASC Deggo ñi ngi signe de fatigue Alpha Diop il a beaucoup donné. Alpha Diop il a beaucoup donné. Il a beaucoup donné, il a fait un bon match. Euh, il se relève, plus de peur que de mal. Euh, Mingi ngi Mingi l'arbitre nee na génnal tous en faveur de l'ASC Dego l'ASC Dego bye ah l'ASC Dego tous ballon ballon oh l'arbitre devait tirer le coup franc 6 mètres attention Jibi Gueye moo yor bal bi Jibi Gueye moo yor bal bi teg na ko 6 mètres Cheikh Tidiane Gueye mi ngi bëgg a door 6 bi. on est à xam nga góor waaw boo reporté. waaw en général fa nga fa nga fa nga féete moom day feeñ day feeñ maanaam féete. waaw euh, xool la xool xol parce que saa ngi maa ngi dégg naa arbitre bi dafa war tiire yow arbitre bu là, a lu sa est non non dama gis effectivement la ko laa ko parce que je suis un reporter dama gis rek xamni oh attention attention Babacar Ndiaye Babacar Ndiaye attention oh là là oh l'arbitre dit coup franc Babacar Ndiaye avait l'opportunité de tuer le match mais l'arbitre dit coup franc non Baye Baye Baye Ndiame bu may far duma ko sax mais dama gis ni. non non non wax la da nga koo feeñal feeñaloo ko c'est-à-dire même man mi sax xam naa ne ñiy déglu. Euh, ñiy déglu ñu ngi naan ma ñu ngi naan ma nangam nàngam loolu mënut a ñàkk. xam nga daaw dama nga daan wax dama ko wax euh, des fois euh, bu may def reportage yu match entente ñu bëri di wax ni damay damay far man leen nag boo romboon ñaari ginaar yu xeex. ñaari ginaar yu xeex sax dina am dina am koo ci koo ci faral. donte yaa ngi taxaw di leen di leen seetaan ndax man ma seen mooy nii toog sama jarbat uh, barki démb fii dégg nga yuuxoom yi mu yuuxu fii bi bi jamono di football te moom en tant que reporter vraiment uh, loolu kon man ma seen yow yow loolu loo ci xam yow. sama ni jaay xam nga keroog moo tax dama ni la bi ma dama bëggoon isolé wu. parce que bëgguma woon bëgguma woon wone fi ma far carrément mais nag far moo miti comme ni nga waxee sànq far ci xol la da ngay taxaw sax commencé di lo. oh mauvais tacle. xam nga fii ñu taxaw nii. fi ñu taxaw nii am na ñoo ne bu fi bu fi taxawoon instant yi nii li ma defoon keroog noonu lay def loolu mooy indi problème. ana Siré ana Siré Dia. ma nga toog kenn gisu ko tey tey la daloon kon moo dal Siré tey. moo tax dafa isolé. ana ndaw ana ndaw. <laughs> équipe bi. la def fële nga koy séen. mooy li ma waxoon keroog mais euh, c' est un très dangereux. voilà mais euh, c' est un il va il va attention Khalifa attention Khalifa. waaw Khalifa Mbaye waaye donc euh, c'est un bon coufran. coufran bi tamit euh, de Entente am ay ay ay donc euh, attention attention le ballon oh mal tiré mal tiré mal tiré mais finalement c'est pas terminé qui est pour oh oh oh oh oh oh, oh repoussé attention oh Oh, ballon touche. Attention, Le coup franc est mal effectué par là. Effectué par en Entente, mais repris à la tête par, par le, numéro 8. Attention, Baitala. Baitala. Ah, oh, corner. Voilà. Il faut se méfier des balles arrêtées. Baitala. Fin ñu ngi ci bëgg a màggetal match bi màgget na comme le dit sama grand frère Ndiamé match bi dafa màgget donc ci dernière minute yi. corner pour Maïta Talla Gueye qui prend le corner. bien tiré Attention oh Oh non oh, non oh, oh, de Dieu quel malchance a tenté voulait casser le match non de Dieu le poteau vient de sauver l'ASC non c'est pas fini oh là là là là repris par Khalifa Mbaye non, Dieu, il s'est bien battu. C'était chaud. C'était chaud. C'était chaud. C'était chaud. Oh là là. Baba Mbaye Baba Mbaye ngay daal parce que ce match là c'est un match mystique parce qu'ils sont bien préparés très mystique la parce que suñu bàyyi noonu waa ASC Ndegeul suñu bàyyi noonu waa ASC mais mais mais suñu xoolee ci côté boobu aussi rek yem foofu mais gis nga taxawaayu ASC bi bu fekkee aussi day dañuy am apport apport offensif équipe bi day day day avancé waat sot donc loolu euh, vraiment consigne la aussi expérience boo xam dañ koo récupéré dañ koo jël ci seen match bële passé contre entente contre entente jàngat match bee passé dañ cee jàngat lu bari parce que mooy li la waxoon contre entente bu njëkk ba euh, dañoo dañoo ñëw lu xew waa léegi léegi léegi ñoom est ce que mënuñoo ñoom waa dama ne

dama la waxoon ci commencement bi ne laay see déggoo dama leen xam il se wu de 5 heures vers 17 heures soo heure bi jotee rek dañuy gën a jàppaat beneen souffle moo tax ma waxoon la deuxième souffle nga ne ma troisième souffle loolu moo tax cinquième souffle waaw cinquième souffle nga ma wax moo tax dama leen ñoom seen bu fekkee naaj bi dafa tàng day am ay signe de fatigue parce que day métti ci ñoom ndax tàmmuñu entraîné heure boobu góor dama la wax loo xam ne nii góor li ma la bi dafa mystique ndax euh, joueur ne est-ce xool sance bi nga xam ne moom la waa déggoon wëree woon kaay ñu daal di wër kaay xanaa ñu xaar bu tiré bi ñëwee ndax fi mu toll nii ah, kaay bi kenn du xalam di wokkatu ñaar yooyu mënut a ànd mënoo di football bëgg a wëri camp non ah, de moom mënut a nekk waaw kon nag faaw ñu bàyyi ba tiro bi mhm. ñu wër camp yi doo ko a dem dóor yi ndax xam naa ni li des xam naa ni liñ bëgg mooy dem tiro bi waaye ASC Deggo ah, léegi naa ni match bi vraiment su fekkee ni ko déroulé tuuti rek arbitre dina dina dina fas fin à match bi war nañoo dem

voilà donc loolu rek moy wane ni aussi euh, euh, vraiment euh, joueurs yi ñoom côté musique, dañ ko gëm dañ ko gëm lo lo xam luñ def seen bop la waaye nag man dama yàgg wax ni mystique effectivement am na euh, mais euh, euh, sport aussi da ngay da ngay da ngay liggéey liggéey ci la bokk taxawaay ci la bokk ndax taxawaayu tey bi ñu gis ASC Déggoo taxaw ko empêché na footballu entente parce que entente damay wax souvent ma ni entente ku football moom boo ko bàyyee mu football football am. mu def la musiba da da da lay def musiba. waaye yàlla def na tey ñoom jéem nañoo travailler loolu jéem a empêché. l'ASC l'ASC attention waaw ñu revenir attention tous Oh mauvais centre. non non non l'arbitre dit à ah, rejouer. rejouer waat touche bi. rejouer mais dama yaakaar ni tey jii moom bii mooy sànni tàcc bi ndax xam naa ni bu bal bi demee ci camp yi buy delluwaat ci yeneen camp yi arbitre bi dina yobu tiro bi. ba léegi ñu ngi ci ART e entente moo yor bal bi Cheikh Fall Cheikh Fall mooy touche bal bi Cheikh Fall touche na bi oh, ballon repris Cheikh Fall Cheikh Fall oh coup franc ah l'arbitre ne dit rien l'arbitre ne dit rien l'arbitre dit ah, balbi bi dafa génn touche. l'arbitre siffle la fin ne woon naa la ñu dem ca door tiro bi dañuy dem tiro door tiro bi tiro bi kenn du dugg ah, góora waaw ah, rappelé wu leen ni depuis ah, bi ñu commencé nawetaan ak léegi waaw ASC Entente mu mu ngi bi mooy ñaareelu 1-1 waaw amul benn équipe bu ko contenir woon waaw def ak yow 1-1 moom moo ko fi waaw moom siré série tiro bi waaw Entente gagné ko waaw mooy ñaareelu yoon boo xam ne l'ASC Entente Euh, mu ngi mu ngi am mu ngi am laissez-entendre euh, mu ngi am 1 def ko ak ASC Dego, wara dem tiro bit euh, kon Quand euh, léegi li ci dess moy lama ma rek moy tiro bit bi la xol jangat la ca des euh, fan la wanen di mujjé ak beutem bu ko défé ñu xam demi-finale bi nan lay mujjé mais pour rappeler tout, rek ni depuis le début des nawetana jusqu'à maintenant l'ASC Entente a toujours gagné sur le terrain à part le match qu'il a joué contre l'ASC qu'il a joué le match qu'il a joué contre Étoile il a fait 1-1 mais c'était un match de coupe je crois que c'était les quarts de finale il a il avait gagné par, par, par Et finalement, aujourd'hui, en demi-finale aussi, l'ASC Entente euh, s'est retrouvé avec l'ASC Dego et il a fait 1-1 euh, sur le terrain. Premier but marqué par l'IC Entente, euh, par Pape Morasila. Euh, deuxième but marqué par Alpha Diop en deuxième période pour l'IC Dego. Donc Dego et Entente ont fait un but partout sur le temps réglementaire. ils vont faire les tirs au but, c'est-à-dire les fameuses séries de pénalty, comme on le dit, Dor ils vont le faire pour se départager pour se départager pour la demi-finale de la Coupe Mère. Moucheta Gagne Elage Moussé, Elage Moussé le maire Talla euh, comme euh, Gora l'a dit euh, tantôt. Donc pour le moment, loolu moo xewagul fii ci stade municipal bu Thiénaba ci diggante ñaari équipe yi nga xam ni traîné nañ public bu am solo li ñu constaté aussi ci nawetaan yi ren mooy public bi ñëw na très nombreux. je, ne vais pas dire assez nombreux, mais très nombreux pour regarder les matchs. on a vu aussi la sécurité, la gendarmerie nationale qui est là à chaque fois pour assurer la sécurité. Mais on a vu aussi les supporters d'un côté à l'autre, euh, qui vient pour supporter euh, leurs équipes, euh, qui vient pour chanter, qui vient pour pousser leurs équipes à, la victoire. Donc Gora, pour le moment, on va suivre le tir le premier tireur, je crois que c'est Go de Tianaba. Oui, oui, Ramos va tirer le premier but. Le ah, ah, je l'ai dit, le premier tir par l'ASC Go, le capitaine de l'ASC de Moïtek Balbinonu, Waradem Dikodoro. noonu war a dem di je vous l'avais dit jour bu waaw neneen ma ñëwal toog nii waaw kaa ñu noos tuuti dama naan euh, jour bu war a door penalty Mbaye dama la ko waxoon ba passé waroo toog parce que ils ont trop dépassé dépensé seen ñi ngi bal bi mi ngi ci loxo euh, Ramos Ramos moo yor bal bi. toog nii. ah man de fa chef ba toogoon laa toog. Euh, waaja nu mu naa wax ndànk sax bala ñu maa yóbbu. góor a góor a gendarme yi dañoo toogoon après jog yow nga tok fi waaw mais góor li est ce que mënu la dougal problème déet du dougal problème léegi nañ suivre euh, nañ suivre penalty bi euh, euh, pardon Ramos qui va tirer le premier penalty de l'ASC l'ASC Dego euh, je vous dis Ramos le capitaine de l'ASC Dego euh, il est en face de Djibigay son ancien euh, coéquipier, euh, qui est euh, je vous rappelle, il jouait l'année dernière à l'ASC Dego de, de Tchanaba. donc, Djibigay, Ramos, Ramos euh, Mohamed Sek, je crois. Oui, c'est Mohamed Sek. Mohamed Sek dit Ramos. C'est mon neveu. Ah, mais eh, c'est ton neveu. Oui. Affaire Mbok, Ah, mais tu m'as dit que Baïtale, c'est ton fils. Ah, là, là, bon, bon, bon, c'est mon neveu. Je vais Baïtale, il y a mon fils et Cheikh Diane Gueye qui est là. Oui, oui. Voilà, nous sommes sur Tiro Bibi. Ah. Ramos qui prend un élan, un, un, un bon élan, ah, qui marche, qui marche, qui court, qui tire et qui marque. Et qui marque. Ramos qui marque, un joli penalty mais il n'a même pas. Ouais, c'est pas le moment de célébrer. Mokoro nee je me suis en retard loolu na xaw ma français là? waaw dama ko koy laaj. Mokoro nee je me suis en retard c'est le français ngéwël. c'est le français ngéwël effectivement Mokoro waxaat ko ma dégg. waaw mais Ndiame juste waxaatal ma dégg non non li nga waxoon laa bëgg nga waxaat. je me suis en retard ah, parce que aujourd'hui aujourd'hui je suis très jaaxle parce que Ndiame man déggoo laa yeewoo ba pare entendre samay doom rek fa dëkk. loolu tey moo ma def problème boobu ba léegi maa ngi bëgg a ñëw stade mais mënu ma ñëw bi ñu ma nee 1-1 nag ñi ngi jëm série de penalty laa ne léegi que le il foo ma ñëw. ah Maguda. Maguda mën naa nekk nag mën naa nekk parce que déggoo laa yeewoo. Maguda. fii la daan toog ak ñun Siré. tey tey tey affaire yi daal yëngutu ci côté am. kan mooy doon. Euh, je pense que mooy doon wala du moom. non non du si Ibrahima Ndiaye la capitaine. ah jongante entre capitaine la. Ramos doon na dugal Ibrahima Ndiaye door na dugal. waay Ibrahima Ndiaye door na dugal. door na dugal. bit ba rafet na toujours un bi partout ci tiro bi bi un bi benn benn la benn benn la am na ku jóg am na ku jóg je pense que j'ai pas vu son numéro. waaw dan mais ko préparé tay dan ko préparé tay parce que kenn du la nax ñaar yoon kenn du la nax ñaar yoon déggoo nag dadul équipe bu ndaw boo xam ne da koy nax ñaar yoon mais eh, yow yow yow góor góor xanaa da ngaa fàtte yaa ngi micro waaw waaw waaw wax nga dëgg waaye alpha diop alpha diop non c'est pas alpha c'est le numéro 2 non tu sais euh, euh, euh, déggoo dafa dafa jàngat. match bi nga xam ne moom la passé perdu ko. Mm-hmm. xam nga match bu njëkk ba dama leen wax ni. Mm-hmm. ASC déggoo dafa ñëwoon taxaw. Mm-hmm. di wan ni entente mënoo ma. dàqoo maa football. entente fii équipe bu fi dajeek moom boo taxawee ni ko dàqoo maa football. da lay dóor ba nga ni mbët nga ñibbi. dégg nga wax bi léegi nag yàlla def. Euh, mu jàngat loola reconnaître mooy équipe bi nga xam ne macha allah moom mooy favori fii ci zone bi benn ñaareel bi l'ASC Entente am na collectif beneen bi l'ASC Entente am na équipe boo xam ne c'est te loolu tey ñëw taxaw boo xoolee da doon sot ni doon sottee ni ñu footballé mooy dañuy défendre ñoom ñëpp gis nga 10 joueurs yi nekk terrain neuf yëpp dañuy défendre benn Alpha Diop lañ samp ci kaw bu ñu amee nag daw contre del soit Babacar Ndiaye Babacar Ndiaye Babacar Babacar qui prend son élan, qui est devant Khalifa Mbaye, qui s'élance, qui tire et qui marque. Babacar qui tire et qui marque, il a fait un bon match lui aussi. Il tire, C'est les deux gardiens de but de l'ASC Dego. Boko C'est pas les deux gardiens. Djibigay est un gardien de l'entente. C'est pas un gardien de Dego Djibigay. Gardien de Dego le haut. Bail bail ngay wax. Waaw waaw na bail may wax Attention, ñangay jeex <laughs> tey sama sama nijaay xaw ma leen ko daan wax waaye ñi ngi mel ni ñu ñaari match ñoo am ci reporter bi. waaw ñaari match dafa am match bu am ci reporter bi ndax léegi des fois des fois moom moom xam nga mbuubeen dafa xaw a jege tuuti déggoo des fois xol bi day dem foofu. waaw déggoo déggoo sama déggoo la maa ko maa ko formé woon nag déggoo moom maa ko formé sama déggoo. ok loolu des yow ba léegi. Ah, voilà léegi kuy dóor penalty bi kan la. kuy dóor penalty bi est-ce que du Khalifa Tall en ah, neuf Alpha Diop Ndof. waa Ndof laa yoon naa lan mooy Ndof. Ndof mooy Amadou Seck. Amadou Seck Ndof. huit qui prend son élan qui tire et qui marque. qui a failli marquer. Euh, qui a... waaye moom moom moom est ce que baa Ndof. non c' est c' ko ndax xaritam yi lañ koy woowee. mais buñ ko ko woowee déggoo mu leen. non gisaguma mu protesté wu nag ni bëgg naa ko wala bëgg. kon Ndof boo ko bañee nga jégalu ñu rek ba beneen yoon. parce que moo ko Ndof. waaw mais Amadou Seck la mais comme ci football la ne faaw ñu koy wax turam parce que léeg-léeg sax ñu naan ko busquets non ñaari tour mo mën tam ndof lay wax wa ndof ngay wax man man buma nexé ni busquets parce que attention dama yak bay ta de ngeen geewali li ñu wax mu ko ron neena da jaxle na xamul fu muy far as mu neena ben tangam da nek entente ben tangam nek deggo legi problème bi moy geewal mom du far geewal du far ndax fu nek lay dem ngenté geewal fu nek lay dem ngenté goro séjou goro goro sama dom goro sama dom séjou euh euh kuy dor kuy dor korea korea Correa. Correa, Correa. Correa, Coréen, qui tire et eh, qui marque. Coréa, il rate. Qui rate. Khalifa Mbaye a fait un joli geste. Belle parade de Khalifa Mbaye. Ibrahim Correa. Ibrahim Correa, il balle Voilà, c'est Oman Boub qui va marquer, qui va tirer du moins, euh, qui va tirer, je m'excuse. Voilà, c'est Oman Boub qui va tirer le penalty. Euh, je vous dis que Ibrahima Correa vient de marquer Omar Mboup qui s'élance qui tire et qui marque. l'ASC Deggo va devancer l'ASC Entente Omar na. sa quatrième penalty la wala troisième. wala kan moo njëkkoon njëkk a ah, kon léegi bi euh, kii di dóor. Euh, voilà donc bu ratee day daanu. non quatrième penalty bu Entente. waaye sama doom la nga am bu ratee. ah day dugal day dugal. day dugal waaw yow ah? yu mag yi Natation. Waouh, Cheikh Gueye. qui va se lancer pour tirer le quatrième pénalty de c'est Entente. Cher Ahmed Tidiane Gueye qui prend son élan. Cher qui tire et qui marque. Donc, euh, quatrième pénalty tiré par euh, Cher Ahmed. mais en matière de tir au but, de série de pénalty, euh, c'est du loterie. c'est du loterie, donc ça, il faut le prendre comme ça. Et là, c'est le dernier penalty. Euh, que, mais le fait marquant, c'est Baba Ndiaye, euh, le taulier, le numéro 10, qui a pris le maillot, qui, a pris le maillot de, le maillot du gardien de l'AC Entente, euh, pour aller maintenant prendre le dernier penalty de l'AC euh, euh, que, va tirer l'ASC Dego. Go euh, le match Dego n'a pas fait un changement. Alpha qui s'élance. Alpha qui s'élance. Alpha, Alpha Diop qui s'élance. Alpha. Et Alpha qui s'élance, qui tire et qui marque. qui marque, Dego vient de remporter la demi-finale. Notre de Dieu. de vient de gagner l'ASC vous avez vu la réaction de, de, de, de, de Entente. Vous avez vu les supporters. Ils sont allés, ils sont allés vers le jeu en train de les supporter et de les, de les remercier. Ah, vous l'avez vu. Vous avez vu. Ah, c'est ce qui se passe aujourd'hui à ici à l'état municipal euh, de Tianaba. L'IC Entente euh, qui est disqualifié en demi-finale Coupe Mère. L'IC Entente, l'IC Dégo qui a gagné l'IC Entente. On va essayer de voir l'entraîneur de l'IC Dégo pour lui poser quelques questions. Kay kay kay kay. parce que da dundee marché ak Siraat 2009 la. 2009 bokk poul mu dóor ma. ñu tase final ma dóor ko moom moo dellusiwaat tey ci 2016 bii booba ak léegi ñaata at la waaw kon xam nañ ni ñoom bukki wiir wiir jaari ndaar yàgg yàgg xamoon mais ñu ngi leen di encouragé di félicité déggoo ñëpp sport la ñoo bokk Thiénaba ñun ñëpp ñoo bokk ndey bokk baay foo agréé la. merci euh, Ramos. Ramos noo dundee match bi. waaw match bi moom wax dëgg yàlla euh, woyeful woon ci ñun parce que match bële passé dama def erreur contre Touba Gueye match bi jeexee arbitre bu rouge ñu daje gaay première fois. nekkuma ci terrain bi mais maa ngi toog ci banc bi di jàngat ma ay faa yoo xamante ne fa la gars yi jaar gañ ñu keroog ma jël engagement daal ni comme dese nañ te ñun ñaar ñëpp ñu ngi ci biir euh, compétition bi buñ dajawaatee dina man a demee neneen moo tax tey am taxawaay bu ma taxawee ci biir terrain bi mais déggoog entente benn lañ man bu nawetaani jeexee Baye Ndiambe du ma bàyyi ma fen terrain seen terrain fa lay entraîner. chaque jour jàpp na su baax Baye Ndiambe mii. fa lay entraîner chaque jour. fa lay entraîner chaque jour mais marché bi moom lo lu mënti xew. lu mënti xew mënu woon a yomb équipe bu gënoon a dal moo koy gagné waaw équipe bu gën a dal moo koy gagné waaw. voilà léegi euh, beneen bi euh, mooy euh, dañoo gis ni match bi ngeen gagné gagné wu leen ko tey mais match bi ñu leen dooroon moo tax ngeen gagné match bi ndax benn damay wax ni bi ngeen ñëwee seen match bu njëkk ba da ngeen a ñëw jaayanteeg entente football ni ko yéen a mënu leen ñu. mu leen keneen ku ko def tam mu rey la mais bi ngeen ñëwee da ngeen a sérieux jàpp accepter ay ay ay ay qualité ce pas li ma gën a intéressé seen match tey bi mooy regroupement défensif bi ngeen def mooy sot ñëw sot ci suuf sot ci kaw loolu moom mooy clé match bi euh, te yaakaar naa noonu ngeen def ba génn ci xanaa di ñaan rek euh, comme suñu batterie li ci def bariwul euh, di ñaan lan ngay wax supporters yi bu ko defee nga tàggoo. li may wax li may wax supporters